Nous sommes jeudi 30 novembre 2023. Merci de votre fidélité au programme du studio Kalango. Chers auditeurs et auditrices, il vient d'être 11h à Niamey et c'est l'heure de votre émission Le Niger sur Kalango. À la présentation, Samira Rafi et Mariam Adé. Comment tu vas, Mariam Je vais bien, Samira, et toi Oui, ça va, Dieu merci. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui nous débuterons cette édition avec le flash d'information avec Rafika Tahir et dans notre rubrique entretien du jour, nous recevrons euh, Nictou Saïd de son vrai nom, un jeune artiste nigérien. Nous irons ensuite à la région, plus précisément à Gadez, pour parler des tourisme en difficulté depuis quelques années. Nous parlerons également d'éducation numérique de la rubrique Hebdo, la chronique Lotti préparée par l'équipe femme du studio Kalangu et la page sport, sans oublier une bonne dose de musique nigérienne. L'édition est assurée par Adama Dawaki et la technique par Amina Hassan. Nous ouvrons cette émission avec les flashs d'information avec Rafika Taher. Bonjour Rafika. Bonjour Mariam. Alors, quelles sont les nouvelles alors pour ce matin, le Niger célèbre aujourd'hui, 30 novembre 2023, la dixième édition de la Journée nationale de la liberté de la presse. À cette occasion, à Niamey, la Maison de la Presse organise un panel et une cérémonie pour remise de prix aux journalistes et des médias lauréats du concours lancé auparavant suite à une attaque d'un groupe armé non identifié et l'enlèvement de dignitaires de la zone de Kakou dans le département de Torodi, région de Tilaberi. Environ 2000 personnes, soit 350 ménages, ont fui le village et hameau en ce mois de novembre et ont trouvé refuge à Torodi, chef-lieu du département. Ces personnes sont prises en charge sur place selon le président du comité de mouvement des populations. Et enfin, à Gaïa, trois naufrages, de pirogues transportant des marchandises ont été enregistrés ces dernières semaines. Selon le chef des piroguiers, ces accidents sont imputables à la surcharge effectuée par les piroguiers locaux lors des traversées. Certains chargeraient des centaines de sacs de 100 kg, ce qui augmente le risque de naufrage sur le fleuve. Le chef des piroguiers demande à la gendarmerie fluviale à plus de vigilance et à attirer l'attention des piroguiers pour éviter les accidents. Voilà pour euh, le flash de ce matin, Mariam. Merci, Rafika. Mhm. Aujourd'hui, euh, nous recevons comme invité l'artiste Nictou, euh, de son vrai nom Saïd Salifou. Il est avec nous en direct dans ce studio. Bonjour Saïd. Bonjour. Alors, Nictou est un jeune artiste nigérien qui nous dira un peu plus sur le métier d'artiste au Niger et ses temps qui courent. Mais avant d'entamer cette discussion, écoutons un titre de Nictou pour bien nous installer. Alors, Samira, tu nous proposes quoi On propose le titre Persona non grata. So right persona non grata. Dixième CD, fin du projet, mais c'est que le début. Hein. Et, je te jure, on leur a demandé de la force, ils nous l'ont refusé. Alors on a dû tout prendre par nous-mêmes. Alors crois-moi que la rage de vaincre en l'a. Persona non grata. Est en l'oreille. Et J'aime trop les sous avant de partir, vers remplir le sac. Et je le fais tout seul, pas de témoin, pas de poucave. J'aime trop l'argent, ou oh, j'en ai jamais assez. J'aimerais quitter le bloc, mais j'ai pas brassé assez. J'allume pas le calumet, on fait que s'allumer. Comme une bougie, j'espère briller avant de me consumer. Pour ça on prie, pour ça on prie. Mes frères dans le mal ont souvent qu'ils ont pris, compris. Ouais, ouais. L'avenir ça ne c'est sombre à l'affût de la lumière. Avant j'étais pas quelqu'un, j'espère toujours le devenir. J'espère toujours le devenir. Et si ça tombe à l'eau, au moins j'espère qu'on sait nager. Et si ça tombe à l'eau, au moins j'espère qu'on sait nager. J'attends pas ton appel, je suis à la tête de tout le réseau. Les pochons dans le ghetto, j'ai quitté la Zermie, ma mère veut que je quitte la Nuzo. Que je quitte la Nuzo persona non grata, persona non grata, persona non grata. Persona non grata, persona non grata, persona non grata. Mauvaise adolescence, de trois risques et ça devenait létal. J'ai le bigot des quelques mecs qui brassent dans l'illégal. Un vrai nous on s'en fout, Tant qu'on fait des sous, peu importe la provenance, fais gaffe au numéro des Personne à non grata, je sais qu'ils vont tous revenir. Ils m'ont vu sur le net, Tant vu ce que je suis en train de venir. Les fois je se retourner vite, moi je suis le pote à Saïd, et je les connais pas. Je me déplacerai même pas le jour de leur prépa. Je me déplacerai même pas le jour de leur prépa. Enfant d'Afrique, un jour ou l'autre, vais quitter le continent. Partir avec mon baluchon, conquérir l'Occident. Mais c'est chiant, je suis Andé, zéro contrat signé. Je suis venu au monde, pour avoir mal le saigner. vous saigner, vous saigner. Le ciel pas toujours bleu au cœur de l'orage et de la grisaille. Le ciel pas toujours bleu chez nous au cœur de l'orage et de la grisaille. à non grata, à non grata, à non grata. je me suis euh, bien amusée, on s'est un peu ambiancé euh, pour débuter. Nous savons déjà que persona non grata est une expression latine utilisée euh, dans la diplomatie qui signifie littéralement une personne qui n'est pas la bienvenue. Et ce titre de cette chanson que nous avons écoutée est une réalisation de Nicto. Alors, de qui parle cette chanson et qui est indésirable Cette chanson parle spécialement de moi. Enfin, il faut comprendre que moi, j'écris mes textes selon euh, mon état d'esprit actuel. Donc à l'époque, la, chanson, elle date de deux ans. Donc à l'époque où j'écrivais la chanson, j'étais dans cet état d'esprit-là. J'étais, je me considérais comme une personne non désirée en fait. J'étais dans un pays étranger qui n'était pas le mien, donc c'était d'autres réalités. J'avais, j'étais confronté à d'autres réalités euh, que je ne maîtrisais pas forcément. Donc euh, voilà, quand j'écrivais le titre, j'étais dans cette optique-là. Super, alors qui est Nictou et d'où vient ce pseudonyme Nictou, c'est, <laughs> on va dire, mon côté sombre, mon côté, on va dire, rappeur, bagarreur. Saïd, c'est plus le côté humain, le, enfin, le gars de tous les jours, quoi. Nick mm. c'est vraiment le, le, rappeur, le, le. <laughs> sais pas, le mec sombre. <laughs> Et Nick c'est juste un jeu de mots entre. En fait, qui veut dire juste tout niquer, quoi. Parce que c'est l'optique dans laquelle je me suis mis en commençant la musique. <laughs> Alors, dis-nous depuis quand chante chante depuis 4 ans. À la base, je m'appelais 09. Euh, bon, j'écoute beaucoup de, de Booba. Je me suis plus inspiré de lui pour prendre ce, ce pseudo-là. après, j'ai compris que par la suite, il va falloir me détacher de, de, de ça. Mhm. Parce qu'au fur et à mesure que ça va voler haut, on va tout le temps m'assimiler à, à Booba et ce que je ne voulais pas. Donc, j'ai voulu trouver un truc propre à moi qui me définissait bien et avec lequel je pouvais faire corps. Quoi simplement. Alors, tu ne vis pas au Niger. Est-ce qu'on peut savoir où tu vis et pourquoi le retour Comme <laughs> je, disais tantôt, je n'ai je, pas, pas d'habitat fixe fixe. Je, je voyage assez beaucoup. J'étais au Niger de base. Après, je, suis allé au Bénin pour les études. Après, je suis allé au, au Sénégal aussi. Après, au Ghana. Là, je suis revenu pour, voir la famille, prendre un peu la température du pays, euh, me, le retour aux sources, quoi, si on peut dire ça comme ça. Alors super. En parlant de retour euh, aux sources et aussi d'études, est-ce que la musique et surtout tous tes déplacements-là ne, freinent pas tes études hum, Pas spécialement. Mhm. Je sais faire la part des choses. Euh, je sais quand faut mettre en freins euh, au studio et retourner au cahier. Je, sais faire la part des choses. Je, voilà. Je, pense pas que la musique euh, freine mes études parce que jusque-là, je, m'en suis quand même <laughs> toujours sorti. bien <laughs> j'ai pas encore eu à reprendre une classe ou des, des choses comme ça. Donc ça va pour le super, moment. Super, super. Alors pour ton premier clip, euh, ça a été clippé, on te voyait bien. Et euh, pour les suivants, tu, tu comptes garder l'anonymat. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi euh, Juste parce que de base, je suis quelqu'un de simple. J'aime pas la starification, le, la fame, le, on va dire, le succès et tout ce qui va avec. Mhm. Euh, pour ma personne, j'aimerais pas ça, mais pour, pour ma musique, si. Mhm. Donc, euh, le masque, c'est plus pour garder ce côté anonymat-là. Je, veux pouvoir me lever le matin, marcher dans la rue, sans avoir à signer des autographes, sans être connu mhm. partout. À un niveau, il y a certains, ils ne peuvent même pas acheter du pain au bout de la rue sans se faire harceler. Euh, ce train de vie médiatique euh, va peser lourd sur moi à l'avenir. Et c'est en fonction de ça que je, décide de plus laisser parler la musique et me mettre plus moi en retrait. Mhm. Voilà. Alors, dis a organisé des concerts ici au Niger Non, pas encore. Mais ça ne sera pas du refus. Si j'en trouve, je vais prester il n'y a pas de problème. Mais pour le moment, non. Ok. Alors avant de poursuivre cet entretien, on va savourer une autre musique de notre artiste invité du jour. Et c'est une collaboration euh, euh, qu'il a eu à faire avec un artiste béninois, Docteur Dr euh, Yuri. Voilà, on écoute et on revient juste après. Hmm. <laughs> D-R-Y-O-R-I. i n p n N-I-K-T-U. Parlons cash ou ne parlons pas. Parlons cash ou ne parlons pas. Yeah. Parlons cash ou ne parlons pas. Parlons cash, ne parlons pas. Parlons cash, ne parlons pas. Parlons cash, ne parlons pas. Heure dollar et CFA. Parlons cash, ne parlons pas. Eh, hein. Quand c'est pas rentable, eh, non, n'investis pas. Eh, l'amour n'est pas rentable, hein. donc j'investis pas. Le paradis dans la gorge de mon ex. Il faut du bif pour sortir de la S. Major en l'air, je mets de la S. J'ai pris la vie en levrette sans la tête. Ouh, ah. tu me donnes du bif, tu devais ma cible. Mille façons de donner, oui, la mort. De toute façon, négro, je vais tauder la vie. Ah. Automatique, le pragmatique. Tiens-toi bien quand tu me parles de chiffres. Je ne rigole pas quand ça parle de bif. Bif, bif, bif, bif. T'es mal le maillot numéro 10. 10, 10, 10, 10. C'est faire du bif, c'est l'objectif. je l'achète à 10. je la revends à 100. Pour se faire du bif, Pour faire couler du son. Un instant, qu'est-ce t'as dit Tout mon cache, on est bon. Dans le je vois la foule en transe. Oh putain, c'est mon son. Parlons cash ou ne parlons pas. Les billets, les billets, les billets, les billets. Parlons cash ou ne parlons pas. Les billets, les billets, les billets. Parlons cash ou ne parlons pas. Pour les billets Parlons cash ou ne parlons pas. Parlons plus, faut reste muet. Parle ma cache que sois réceptif. J'ai pas changé, non, j'ai mué. Oh, je baisse un préservatif. Combien de housses c'est cumulé Je pas, mais ça peut rendre addictif. J'ai trop de blessures dissimulées. Chanter d'enfants c'est péjoratif. J'ai le flow et la tactique. Laisse-moi les roses prendre les sorties. On sort des endroits sordides, donc je fais du de façon morbide et africain. Flot de bâtard. J'ai chassé les rats du mitard. Je sors ce que j'ai dans la gorge. Fais leur cracher mon molar. Je suis devenu une grosse pointure. Personne peut me marcher dessus. Ta meuf, c'est comme le son gros. Tout le monde lui est dessus. Fais du bif, fais du bif. Ces négros veulent me ralentir, alors vais faire comme leurs daron Vais niquer leur mérite partir. Ils sont prêts pour la reguer Ma meute surveille mes arrières. Je suis parti pour être premier. Jamais je retourne en arrière. Tous tes négros sont saignés. De l'autre côté de la barrière. On fait tous de la muscu, mon plus ta que nos alterniques tout. Parlons quand nous ne parlons pas. Les billets, les billets, les billets, Parlons cash nous ne parlons pas. Les Parlons ne parlons pas. les parlons ne parlons pas. Parlons parlons pas. Les les les Parlons pas. Parlons pas. les parlons pas. Père, alors d'où est venue cette idée de collaboration avec Dr Yuri euh, C'est parti d'Instagram, je pense. Il m'a envoyé un message, il a dit qu'il aime bien ce que je fais. Et son producteur et moi, nous nous connaissions déjà. Donc, euh, c'est parti assez vite. À l'époque, j'étais au Sénégal. Mhm. Je lui ai dit, OK, quand je vais revenir en vacances au Bénin, on va on va se voir et faire quelque chose. Entre-temps, je, suivais un peu ce qu'il faisait aussi. Et ça m'a parlé vite. Donc quand je suis venu, on s'est on on on capté Ça allait vite au studio euh, voilà ah, super alors euh, au Niger euh, nous savons que il y a quand même assez d'artistes musiciens chanteurs dans tous les genres de musique pourquoi avez-vous choisi d'être artiste vous n'avez pas peur de fondre dans la masse euh, Pour être sincère, je ne sais pas si j'ai choisi d'être artiste, je ne sais pas si j'emploierai euh, ce mot. Mhm. J'ai grandi avec la musique en fait, mhm. depuis le bas âge euh, jusqu'à l'adolescence. j'ai commencé à écrire mes premiers textes, j'étais en cinquième mhm. au collège. Euh, à l'époque, je pense que le premier son rap que j'ai écouté de ma vie, c'était un son de La Fouine. Le mhm. titre, c'est J'espère. Mhm. Donc après ça, j'ai un pote qui, m'a fait écouter Booba une fois. Euh, je pense Paradis de Booba. Euh, là, tout de suite, il y a eu ce déclic-là. Je me suis dit, tiens, je vais, je, vais, je vais commencer à gratter, je vais commencer à écrire. Quoi. Mhm. Donc, quand je suis allé à la maison, j'ai commencé à écrire des tests, je commençais à écrire, euh, pas remplir des cahiers, mais des pages. Mhm. Mais euh, bon, je le cachais parce que à la maison, forcément. <laughs> Les parents n'ont pas payé l'école pour ça. Ouais, donc, <laughs> une fois, maman est tombée sur mon cahier, elle m'a dit ah, C'est quoi Maintenant, tu chantes et tout. Tu lui ai dit Bon, j'ai pas encore fait de musique, j'ai jamais mis pied dans un studio, mais mhm. j'écris quand même. Mhm. Donc, le premier son, je pense, il a fallu attendre la terminale pour que je me me lance effectivement en plein dedans, on va dire. Mhm. Ah, Alors, dites-nous, aujourd'hui, beaucoup ont quand même jeté l'éponge et se sont reconvertis dans d'autres domaines. Qu'est-ce mhm. que vous faites, vous, pour ne pas emboîter ces pas ah, Je ne sais, pas, je sais pas ce que l'avenir me réserve, mais euh, pour ce qui est de la détermination, j'en ai. Et j'ai confiance en mes capacités. Je pense que tant qu'il y a de la vie, euh, on va continuer de rapper. Hein, et si ça prend, là et au cas échéant, on aura essayé. quoi. Mais bon, j'ai pas, j'ai pas de, spécialement de plan B, on va dire. Ah, je suis vraiment focus dans la musique actuellement et je, suis assez confiant par rapport au fait que je veux pas emboîter et même pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous rend particulier par rapport aux autres artistes nigériens Par rapport aux autres artistes nigériens, euh, bon, j'allais dire la Kagoul mais non, il y en a déjà, <laughs> je pense. <laughs> Euh, ce qui me rend particulier. C'est le style musical euh, ou bien c'est la, la, personne, le fait que tu chantes par exemple par rapport à ce que tu ressens, tes émotions je hmm, je sais pas, peut-être il y en a plein qui font ça aussi. Mhm. Euh, ce qui me rend particulier, bon, je vais dire euh, la plume. Mhm. Oui, parce que j'ai essayé d'écouter un peu ce qui se fait ici. Mhm. Et j'ai pas, j'ai pas retrouvé cette, cette finesse dans la plume là, ce, cet amour de l'écriture là. Voilà, je pense que sur ce point là, je suis inclassable. Alors, quelles sont tes espérances pour la musique nigérienne mais. mais Des espérances. Qu'est-ce que tu souhaites pour la musique nigérienne d'ici euh, quelques années ah, Je souhaite que qu'on puisse euh, s'émanciper, hein. mhm. qu'on puisse prendre de l'expansion, comme le Nigeria à côté. Mhm. là, il y a la Côte d'Ivoire qui, qui, comment dire, qui, marche. un peu. Oui, oui, oui. Mhm. Qui marche dans les mêmes pas que le Nigeria. Bon, on ne va pas encore les comparer, mais voilà, il y, a le, le Congo aussi, mhm. le Mali aussi, je pense. Oui. Donc, euh, vraiment au Niger, je trouve que les musiques ne sont pas assez mises en avant. Mhm. Donc, euh, à l'avenir, peut-être, si des bonnes volontés peuvent mettre des structures en place pour plus valoriser nos artistes locaux, mhm. je pense que ça sera déjà un très bon début parce que je pense que ce n'est pas le talent qui manque juste euh, que quelqu'un euh, soit capable de, le percevoir en fait. Et qu'on les mette à la lumière du jour quoi. Alors Nictou, conseillerez-vous d'autres jeunes à rejoindre le cercle des artistes musiciens hmm. Franchement, non. <laughs> Et <laughs> pourquoi non Non, c'est... Ah mais c'est c'est un travail de longue haleine. Hein. Ça prend du temps, tout ça. Mm. Et c'est aussi de l'argent à investir pour les clips, les sons. Enfin, si, si tu n'as pas de producteur dès le départ, quelqu'un qui te produit vraiment, mm-hmm. et si tu n'as pas ce, ce truc-ci, tu le fais juste pour le buzz, on va dire, ou juste pour que ça tourne sur TikTok, je pense que tu peux t'en passer, quoi. Mais si il y a ce, cet amour de, d'écouter des instruments et d'écrire. Mm. Il Et, a H24 des écouteurs, es H24 dans la musique. Mm. Ouais, tu peux te lancer et, et voilà, te, voir, ce que, voir ce que ça va donner. Mais bon, je ne conseillerais pas quand même à mon petit frère de, de faire de la <laughs> chanson. De faire de la musique. Ouais, ça. Alors, tu nous as parlé des réseaux sociaux en parlant particulièrement de TikTok. Nous savons mm. déjà que depuis que TikTok est là, ça a fait euh, naître beaucoup de talents, beaucoup mm. de, jeunes chanteurs qui ont été reconnus grâce à TikTok. Mm-hmm. Est-ce que ça n'a pas joué, les réseaux sociaux n'ont rien joué, un rôle particulier dans ton succès ou bien dans ton évolution en tant qu'artiste euh, Je pense que là, à l'ère où nous sommes, les réseaux sociaux, c'est indispensable. Hein pas que les artistes, pour pratiquement tout. Tout, tout, tout, ce que tu entreprends avec les réseaux sociaux, c'est plus facile, quoi. Mm. Après, c'est vrai que il y a, y a, comment dire, bon, TikTok, c'est vraiment une plateforme qui met en avant les, les artistes. Il y a des artistes jusque-là qui n'étaient pas connus du tout, mais qui, qui, ont eu, comment dire, euh, qui, se sont créés une fanbase à base de TikTok mhm. et qui ont su transformer cette fanbase-là en streamer mhm. pour euh, streamer leur son sur les plateformes. Donc, euh, voilà, je, pense qu'on ne peut pas négliger l'impact de, des réseaux sociaux sur, sur la musique ou quoi que ce soit d'autre. Alors, on peut avoir un petit freestyle sur cette émission pour marquer les passages de Nictou ah, Ok, il n'y a, y a, pas, de souci. Alors, on y va. Direct. Ok. <laughs> <laughs> Euh, je suis vu comme un aborigène, une bête de foire. La pression qui monte, je l'ai senti combien de fois mhm. À plusieurs dans ma tête, je sais pas, il y a combien de fois 23 ans maîtrise, c'est la daronne que je veux voir. C'est vrai qu'on me voyait comme une bête de foire. Je vide la taille au goulot, rien que je me pète le foie. J'arrête la prière, je m'y remets vu que j'ai une once de foie J'ai pas de brolique, mais voilà, je peux canarder pour toi. Y a que toi qui as vu mes larmes à travers la pluie. Et puis, j'ai vu mes erreurs t'amigrir depuis. Je suis d'humeur maussade comme les jours de pluie. Hein, ça n'a pas changé depuis. Puis ils sont imputrexibles, Mais sans, ils peuvent pas pourrir. J'ai tant frôlé la mort à croire que je ne peux pas mourir. Rentrons, il se fait tard, puis il y a bientôt l'orage. Il y a bientôt l'orage. En tant tempête, j'essaie de tenir sur la barque, ouais. Ça n'est fallu de peu pour que je foute le sbeul. C'est pas toi, mais ton cœur que, que, que je braque, ouais. Je te cache pas que j'ai toujours aimé les pulls. Oh <laughs> Ah d'accord, j'espère que les peuls écoutent. Euh, nous avons aussi des peuls ici. J'espère qu'ils apprécient le fait que tu les aimes beaucoup. Alors merci beaucoup Nictou d'être venu nous rendre visite au studio kalango Nous te souhaitons une excellente journée et espérons te revoir avec plusieurs albums déjà enregistrés. Merci beaucoup. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé, l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Il est 11h25 pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous êtes à, bien sûr sur l'émission Le Niger sur Kalangou, animée par Samira Rouafi et moi-même Mariamade. Aujourd'hui, nous avons un sujet qui préoccupe de nombreux parents. À quel âge devrait-on donner un téléphone portable à son enfant Mais pour ça, écoutons Ousmane Mamoudou. Bonjour Samira, ravi d'être ici pour en discuter. Parfait, alors Ousmane, beaucoup de parents se demandent à quel âge il est approprié d'offrir un téléphone à leurs enfants. Le professeur Andy Fippen, dans un article des Conversation, semble éviter de donner un âge précis. Pourquoi Alors oui, donc c'est un professeur euh, d'université qui est assez reconnu, qui s'appelle donc Andy Fippen, euh, qui a écrit un papier que j'ai trouvé intéressant sur le site The Conversation. Donc ce qu'il dit, c'est que le choix de donner un téléphone dépend de l'avantage de l'utilisation prévue que de l'âge de l'enfant lui-même. Euh, si le téléphone est principalement destiné à prendre des photos, jouer à des jeux simples et passer des appels vidéo supervisés. Cela peut être euh, très différent de donner un accès Internet à un enfant non surveillé. Donc pendant la période, par exemple, si l'on prend de l'école primaire d'un enfant, il est très probable que ce dernier soit constamment sous la surveillance d'un adulte. Il se trouve soit à l'école, soit à la maison en compagnie euh, d'amis et d'adultes de confiance, donc euh, ou avec euh, d'autres membres de sa famille. Il se peut que la nécessité de communiquer avec un adulte distant ne soit pas aussi cruciale à ce stade de la vie de l'enfant mais il revient à chaque parent de prendre en considération les besoins particuliers de leurs enfants. C'est une perspective intéressante. Quand les enfants peuvent-ils avoir un téléphone avec accès Internet selon vous Alors, selon le, professeur, généralement le passage du primaire au collège est un moment clé. Donc il dit qu'à ce stade, les enfants peuvent commencer à s'impliquer dans des activités en dehors de la maison, ce qui peut nécessiter moins de contacter leurs parents. Donc beaucoup reçoivent leur premier téléphone à l'entrée en sixième. Et euh, une fois euh, que les enfants ont un téléphone, comment pouvons-nous assurer leur sécurité en ligne Alors la sécurité en ligne, elle est cruciale. Donc les parents doivent euh, vraiment avoir des conversations ouvertes sur les risques numériques sans dramatiser, évidemment, sans faire peur à l'enfant. Alors le chercheur dit aussi qu'il faut rassurer l'enfant, euh, lui dire qu'il peut venir euh, avec ses problèmes sans crainte de réprimande. Donc il faut pas dire, euh, il faut pas que l'enfant ait l'impression qu'on va le punir si on découvre quelque chose ou un problème sur son téléphone. Il faut aussi établir des règles sur les applications autorisées et explorer les paramètres de confidentialité qui sont des étapes très importantes. Alors, que penser de certains parents qui se demandent s'ils devraient surveiller le téléphone de leurs enfants avant tout, le, professeur privilégie vraiment la discussion. Il faut discuter de façon ouverte avec l'enfant. une supervision parentale peut être euh, justifiée pendant l'école primaire. Cependant, lorsque votre enfant grandit, il peut ne pas vouloir que ses parents voient tous ses messages et toutes ses interactions en ligne. Sachant aussi qu'il y a la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant qui stipule clairement qu'un enfant a aussi le droit au respect de sa vie privée. Alors, euh, géocaliser son enfant, est-ce une bonne idée Alors, c'est tentant, mais cela dépend des familles. Euh, donc certains le font de façon ouverte, d'autres trouvent cela un peu effrayant. Donc la question euh, qui se pose ici est de savoir si les parents s'assurent que leur enfant est en sécurité ou s'ils veulent savoir à son insu ce qu'il fait en ligne. Donc c'est deux choses différentes. Il convient également de se demander si ce type de technologie n'est pas en réalité faussement rassurante. Elles permettent aux parents de savoir où se trouve leur enfant, mais pas nécessairement de savoir s'il est en sécurité ou ce qu'il fait. Alors, merci Ousmane pour tous ces précieux conseils euh, et à bientôt. Une petite pause musicale s'impose avec le titre Alibio du célèbre orchestre Étoile de Zongo. city. fait vibrer les mélomanes des chansons traditionnelles de la capitale et de ses environs dans les années 2009 et 2010. Dans cette chanson, il parle d'un homme craint et apprécié surtout par les jeunes filles du village. Et pour rappel, le leader vocal de ce groupe était Chambiano Yaro. Chombe Yaro. <laughs> Un petit coucou à notre technicien Chombiano de l'autre côté euh, de la vitre en vidéo. Direction à présent Timia dans la région d'Agadez. Euh, C'est une oasis située dans le massif de l'Aïr qui se distingue par ses maisons en banco et sa palmeraie verdoyante qui attire les touristes. Oui, mais depuis quelques années, les touristes est en baisse en cause, à cause des problèmes sécuritaires qu'a connu la région. Au pied des monts Egalach et Aroyan se trouve Timia, une oasis située au cœur des massifs l'Aïr. Sur ces terres qui défient le paysage sec des vastes étendues désertiques et rocheuses, Timia offre un contraste hors du commun, propice au tourisme. Sa vallée regorge une multitude de sites touristiques qui n'attendent que des visiteurs. Timia, c'est le grand oasis euh, qui attire beaucoup l'image de la région d'Agadez. Donc en termes de tourisme, Timia accueille beaucoup de touristes. Donc depuis les années 2007, euh, au début de la rébellion Touareg d'Yemenji, donc euh, le tourisme s'est un peu euh, retiré. Ça a créé un chômage, surtout au niveau des jeunes, au niveau des, artisans qui vendent leurs bijoux, des caravaniers, des ténérés qui partent vers les Bulma et des guides qui sont là, qui amènent les touristes, qui font les, les voyages dans les campements, euh, visiter les gravires, qui montent sur les montagnes. Donc vraiment, le manque de tourisme a créé un grand, grand, grand, grand trou dans la commune de Timia. Selon Aliman Amoun, gérant de l'hôtel Timia et l'auberge de la promotion du tourisme interne présente plusieurs atouts. Le tourisme d'Alaïr, vraiment, ça rapporte beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup et ça diminue le chômage en fait. À travers sa réserve naturelle communautaire, la commune rurale de Timia entend protéger la faune locale et favoriser ainsi le tourisme interne. Ici à Timia, on a une RNC, la réserve communautaire. C'est un projet de la mairie de la commune de Timia. Donc, pour que les faunes, les animaux qu'on trouve dans l'air, que ça développe. Donc, euh, la, mairie organise des petits voyages à pied ou à dos d'âne ou à dos de chameau pour aller découvrir les, les animaux quoi, qu'on trouve, les mouflons en manchette, les, donc, euh, les antilopes, euh, les oryx, les babouins, qui sont en voie de disparition. Mais donc, grâce à la mairie, ils sont en train de, de les rattraper. Je n'ai pas dit que maintenant c'est rattrapé, mais ils sont en train de les rattraper. C'est pour ça aussi, c'est un débit de créer un truc touristique. Par exemple, les personnels de la Sonichar, ils se cotisent, ils viennent pour découvrir leur localité. Les personnels de, de la Sonichar, Gassomaïr, et certains projets euh, qui sont par exemple les FICOD, donc qui viennent organiser comme un tourisme euh, d'Alaïr. Donc c'est bon que le Niger cherche à créer un tourisme interne. Par exemple, les gens qui sont des Niamey, des Zinder des Maradi, des Tawa, ils n'ont pas découvert l'Aïr, sauf ceux qui viennent pour le festival de l'Aïr les festivals de l'aéroport, tout le monde qui vient. En attendant le développement du tourisme local, Timia vit au rythme de ses jardins d'agrumes. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. présent, attaquons la page sport avec notre chroniqueur sportif euh, Adam Sariou Bonjour Adam. Bonjour Mira. Alors, hier mercredi 29 novembre 2023, dans les locaux de la FENIFOOT s'est déroulé le tirage au sort entrant dans le cadre de la Ligue nationale. Eh bien oui, nous allons tout d'abord expliquer ce qu'est la Ligue nationale. Eh bien la Ligue nationale est une compétition comptant comme le deuxième degré de la hiérarchie des championnats de football au Niger. Elle regroupe 20 équipes qui qui représentent les huit régions du pays. Ces 20 équipes sont reparties en deux poules A et B. Alors, Adam, dis-nous quelle est la composition des groupes alors, euh, dans la poule A, nous avons Abzin FC, Telwa FC, AS Toudou, Nima FC, le Dandi National de Gaïa, Bourja FC, AS IAM, Kandaji FC, Dangourmou FC et Étoile Filante. Et dans la poule B, nous avons Étoile Rouge, Lantarki FC, Nasra AC de Zander, Avenir FC, Entente FC de Dosso, Wombe AC, Dankasawa de Maradi, AS Zam de Goudel, ASC BK, Kandarga FC de Zander. Mais rappelons que la date de démarrage de, ce championnat n'a pas encore été communiquée. Adam, parlons à présent de la Super League. Eh bien, sachez que pour aujourd'hui, deux rencontres sont prévues pour marquer l'ouverture de cette troisième journée. D'abord à Niamey, l'AS Nigelec reçoit l'Irana FC au stade général Sénikounti. La deuxième rencontre opposera le Tagour contre la Koukana FC Dalut au stade régional de Dosso. Eh bien, chers auditeurs, c'est l'essentiel de la page sport de ce jeudi 30 novembre. Bye bye. Après le sport, allons découvrir notre star du jour de la rubrique portrait. waranza irko waranka cindugu irkonde bala colise en waranka waranka zawati fonon na goyon sintin. to son da dai jirgu la sabai da irmu gaida yarin jirgu dai la sabai ni da hingir famandi na fakan ni duni wani goyo wora to na fo goyo du borgo ga te borgo do ana fa dai me manti so na fo yadi sandai no bad na fa zam so Bora jama bara e puis mo son wallahi sande gwara zama bodu kilenga din bonus gogudu problem da bayan zam so ni gingi bora sambu mu konda nan fo mazumandi ninda mu du sande kaino fo bora bayan ma me go teriyen to so goyo kai bokul kanganga nga popore zikaga ka aka kabu kabu an kuna aran si kala in mai gallora aran goga te kabu kabu lelle mo dina mo daru ga gune ga bai kan taksi yongono faba faba yongono mata naran dai goga goyi kerbande to iro da bayan iro su koi kwarara o da bayan da iro su koi kwarara saji tare tare nan kan mota yi su koi da nan kan popor hinu koi da noro da bayan iro koi nan kan har mota su koi da bayan zama nan kan har mota koi wo isur irsi koy no da gabi magar kadai bor follon follon dai magar to ir koy sandika wo korfam e, tare hare ir koy kala ir bisi ba ga me galloran mbo ir koy bo miya asiba dai no gumo zam no hare wo mote no gon da gabi sandika post ya hare wo boden ikoy wa ku boden koy zongu boden koy zongunda kain fo zam ni be porporo bor follon naga sambu to ceyon ne gite bore kan sinda goy kanga goro ga koli kambe kanga ne kalde hede hay kagi gar i ifono katin ceyongo aiwo ga bayre kan goywo matkur kan agi hima da dai abisidai gore wo kono gore wo de no ste ba kain fo o amero problem wo de ti nan kan ga kaino sirsi wato ni ne fo ce so ganir go kai so ne o ka inir gare no din so ni digudro hin kadin bindoranir go no di mo riski no gara gumo gumo Notre star du jour, euh, c'est un taximan euh, de taxi-moto plutôt Kabu Kabu euh, du quartier Kwarategi et c'était un reportage réalisé par Omar Hama. Chers auditeurs, pour notre dernière balade musicale de ce matin, Mariam, qu'est-ce que tu nous proposes Kura Taj Kura de Sultan. da yake ba mu sai halin gashi wanda bai san ka a duniya ka kyale shi wada mu da shi kamar ta tsare shi magi banza ne ku ƙara raina shi in akwai sanda da ya iso ku doke shi ba abin da kake mai domin ka burge shi dan uban magi kar ya so ni shi kenan ko da minti ɗaya in ya so ni ban yafe ba kashe na son karyar soyayya ita ja uwar wani kusa ne, idan na ganta ai sai dai duka mai zamani ya fi mai laya muna ku kai muna daɗa gaishe ku ya kasuwa mahasada ku zo ku ji labarin bagaruwa kuma iya kusan ku ne gishiri na rayuwa idan da rai da lafiya za ku sani sakamakon yana nan za ku gani e wannan Kwanci na bananin ba za ta cinin ba. Idan akwai wuta kama zuma ba za mu fasa ba. Nan ganin mu nan kallo uwar miji a gaida ta. Da fa ba haifa ba ashe ba za a aura ba. To abin na Allah ne ba za na bar masoyi ba. Wanda ke da guru ba za ya raina laya ba. Budurwar wawa. manawun duniya ashe du girma na kai baya zarce wuya idan ka kai jarumi ba ka cewa ka iya fatan kowa ya kare da mahaifa lafiya kowa ya yi noma ashe ya tako kaya mata wasu maza sai dai ta giya, sai Allah ya so ka kwalla ni lafiya ba sa rigar ado na burge jama'ar gari na san ba ta wace ba ya famar rayuwa ya famar rayuwa mayu ko kurwar mu tana kasa to lallai ba za ku kashe mu to mun ci dubu to mun ci dubu mun hada da daya mun gyalar na ba mu san harbin ta ba Shagara da akwai saura 'ya'yan kura addu'a ta uwa addu'a ta uba ba mu bar dangin mu ba ba a gasa da diyan zaki filin su kuwa sai dai doci kamali nan baban tafki magiya dai sai dai raki kenan jinka ita ce daki Allah ka haɗa mu da alkhairi miya kaza ta ci ta lashe ta goge baki ba sirri Allahu ka shirya karan bana baya sallah baya azumi kullum sai dai fatan sharri bashin gaba mu biya daidai guda ta amarya algaita su sarki ne sabon tsari wanda duk bari kar ya neme ni domin tafiya ta ta yi nisa in na yi ma shi dai za a yi wannan maganar ta yi tasiri yamana eh, kura ta ci kura dami sha zara gyada sha bara amara da gara fuska da harara magana jari faɗi alkhairi wata rana ai sai labari Akane c'est la bague continue de reposer en paix. Mahmoud Nadonko, c'était là le titre Kura Tachukura. Passons au loti à présent pour parler des enfants. Ça m'est arrivé à un certain âge, il n'est pas prudent de laisser les enfants seuls à la maison pour éviter des problèmes et des accidents. Pour en savoir plus, je vous propose d'écouter ces échanges de Fantachamsu et Rekia Arimi. Affairage, affairage, affairage, affairage. Ok, Qui vois-je là Sophie, ma chérie, c'est toi. Masha'Allah, ça fait longtemps. Comment tu vas Je vais bien, Alhamdulillah. Au moins, ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas vu. Effectivement, ça fait longtemps. Presque deux ans même. Depuis le baptême de ton fils Ridouane, comment il va même Il va bien, je l'ai laissé à la maison. Ce n'est pas facile de faire des courses avec un enfant au dos. Ah, vraiment, je te comprends. C'est très pénible de traîner un enfant, surtout au marché. Donc, tu l'as laissé avec son papa Son papa non, non, non, non, non. C'est lui-même qui m'a déposé ici au marché. Il est parti à la Fatih à Dembaptin. Ah, d'accord. Mais tu l'as laissé avec qui Tu as une nounou hum, Oumma, je n'ai pas de nounou. Wallahi, il dormait quand je suis sortie. Donc je l'ai laissé seul à la maison. Seul Ridouane qui n'a même pas deux ans. Hey, ne t'inquiète pas. J'ai bien pris le soin de fermer la maison à clé. Comme c'est là, il ne risque rien. Personne ne va le déranger. J'ai fini vite mes courses et je rentre direct. Je dois juste passer chez mon tailleur comme c'est sur ma route là. Inna lillahi wa inna ilayhi raj. Sophie, tu es sûre que tout va bien dans ta tête Tu es quel genre de mère même Ouma, tu paniques comme ça Parce que j'ai laissé Ridouane seul à la maison Ça ne fait rien mais... Hum, j'ai l'habitude de faire ça. Et quand je rentre à chaque fois, il dort à point fermé. Hum. Même maintenant, je suis sûre qu'il dort tranquillement. T'inquiète. Sophie, hmm? tu es vraiment la maman la plus bizarre que je connaisse. Subhanallah. Comment peut-on enfermer un enfant et sortir tranquillement Est-ce que au moins tu connais le nombre de risques que tu prends Tu es courageuse même. Oma, calme-toi. Ce n'est pas la fin du monde. Et en plus, ce n'est même pas la première fois que j'ai fait ça. Le seul risque, c'est le fait qu'il se réveille. Et pour cela, j'ai fait vite pour terminer et rentrer. Hum. Sophie, tu ne dois jamais laisser un enfant seul à la maison, qu'il dorme ou qu'il soit réveillé. Un enfant doit être sous surveillance permanente. Ridouane peut se réveiller à tout moment et pleurer. Rien que ceci peut le traumatiser. Hé, ça là, ce n'est rien. Traumatiser là, c'est juste pour les enfants des Blancs. Sophie, le traumatisme ne connaît pas de couleur, ma chérie. En plus du traumatisme, ton enfant peut traîner seul et causer des dégâts de la maison. Je ne le souhaite pas, mais il peut se couper par exemple, ou pire encore, causer un accident domestique. Causer accident domestique C'est quoi ça encore Un accident domestique, ce sont les incendies, les brûlures, coupures avec des couteaux, chutes ou bien asphyxie, ou même étouffement et autres. Les enfants sont de nature très curieux. Ils veulent toucher à tout et connaître tout. Il peut par mégarde aller dans ta cuisine, ouvrir le gaz et s'asphyxier, ou pire encore déclencher un incendie. subhanallah, subhanallah, Dieu m'en garde. Ouma, si c'est pour me faire peur que tu me racontes tout ça, je t'arrête tout de suite. Ma chérie, ce n'est vraiment pas pour te faire peur ou pour te souhaiter du malheur. Mais tu dois vraiment prendre garde et arrêter de laisser ton bébé seul à la maison. Ce n'est pas prudent du tout. La prochaine fois, tu peux le confier au moins à tes voisines, le temps de faire tes courses. Ou bien trouve-toi une nounou responsable carrément. Voilà, tu as raison. Je ne sais même pas si je pourrais terminer mes courses. Tout ce dont j'ai envie, c'est de rentrer et retrouver Ridwan. Oh Allah. J'espère qu'il va bien. Je l'espère aussi, ma chérie. Rentre vite, Wallah. Qu'Allah préserve ton Ridwan. Taxi, Amin, Amin, Amin, merci. Omar. Taxi, taxi. Harobanda. Après qui nous informe tout un humour, passons à présent à la rubrique euh, culture linguistique en français en Fulfulde et ça sera avec Abdouloumouni Niali euh, du desk Fulfulde. Avec lui, nous aurons les explications sur euh, les contours de l'expression de la violence basée sur le genre. Bonjour Niali. Bonjour Samira, bonjour Maria. Bonjour. Pour le mot du jour aujourd'hui, VGB ou la violence basée sur le genre est parfois appelée violence sexiste se réfère à l'ensemble des actes nuisibles dirigés contre un individu ou un groupe d'individus en raison de leur identité de genre. Elle prend racine dans l'inégalité entre les sexes, l'abus de pouvoir et les normes néfastes. Les femmes, on constate que elles sont les plus touchées et la Déclaration des Nations Unies sur l'élimination du genre, sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes, définit la violence à l'égard des femmes comme tout acte de violence dirigé contre des femmes en tant que tel et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace et la crainte ou la privation arbitraire de liberté, ce qui, dans la vie publique ou dans la vie privée, soit fait aux femmes. En full full day maintenant, ko indira vgb violence basée sur le genre nder francire kan woni keddigolle hirñere e mardi bondi di rewɓe na worɓe kollete gam e worɓe na gam ɓe rewɓe iɗum limte duni fa hande nder ɓurdinol ɓurdinol gol worɓe e rewɓe gaɗante gam yofude ko e mumen ɓe gaɗire kan en duni fa hande nde en daari ɓura waɗanede ɗum oni fedde dental leyɗe duniyaru no limta vgb o andan ni dermu mum hunde fuu ko debbo waɗante na ko wawi memude e ɓandu makko na hakkillo makko iri misali kulqinol na haɗude debbo o andan welto nder yaha wartaji muɗum bala fulfulde merci beaucoup ñalli Chers auditeurs, merci encore de l'intérêt que vous portez à cette émission. Vous êtes nombreux à nous envoyer vos messages. Écoutons quelques-uns. Moussa Oginema. ayo ko men sanno kanga kolkoti ande jiya ne ah, ne sai musa ga hangan na studio kalangu labare ai ga hangan gum gum gum wallahi godu bon fe cim cim cim cim gum gum lam labari da bayan kulli ga ma radio fo ba mayo ne ka dai da kalangu fe ngane dubi hanga din dinni hanga mo ga ma ibobo ba ka hanfo afo mu iswasi amma pray ga ko ga ma ga fo hinka ga ma ai wallahi wo kan ai ga ba gum gum france ki ne weekend e kan no daga faransa ta labarai daga ba da lendi walmar diyan igin kibo wasi zukanno wikende wani igi samise in mu mu dugu faham da boy kan sama france kina imate zam san ngade no ga ba gum gum gum wasamel khadijatu wulit tawlik ni sadar gan gasi i program wan kalangu ne kane a wasna rata shewada program wan kalangu ade shewad asmor yan gafa wannan tidim daga wadde qalana iban misisigra at kanna samwi daga an girma giya kanar maranan da iya hasil dara tana gotne ya gas daga amadal wa daga niger tagad marar di sidar ganan kul sai sawara kanti hulawe ne kana kanin ta hul hulle haruna tayiro tabbas ina sauraron program in kalangu abun da nake ganin cikin program in kalangu yayi kyau kwarai kwarai tunda akwai yare da yawa da suke gayi kuma abun ga labarun niger da labarun waje-waje muna jinsu shirye-shiryensu da suke gai suna ganin su bisa kan abu da yawa kwanciyar hankali da karatun yara labarun mata hakan ga labarun matasa duk suna ga yinsu eh, abin da nake so kalangu a takara saban program in shi shine shi da mareke ne kalangu ga budewa inda son samu ne su bude da saye muna son wannan kuma su dinga kara sama yarkinsu su dinga nemo wa'ansu labaru kuma su kara muna kamar na yara hakan ga matasa muna son shi eh, ambiance ko eh, na gaidawa hakan ga kamar ina gaida wa ne ina gaidawa ne wa'anda nake ga gaidawa kin Niger ina gaida iyayena da su da an yame ina gaida su ina gaida matasan bankila da duk gaba daya da matasan Nijar duka gaba daya ina gaida su duk wanda ke jin gaisuwar ga ina gaida shi thank you ci gaba dole ne fa ka ci gaba kera wata kanka dan ba mu mun kera sai ka kai kaka mu mun je mun dawo da shi muke taka ta kai idan ka daddamu da mu su kofa sun sa riga sun hana jirgi sabta idan ka yayyarda da mu sai ka dauko ice dan ka tashi mu shirya dan ka tashi mu tsara dan ka tashi mu rabka gargajiyan mu ta nisha to ga wanda na ta kukan yunwa kuma ga wanda na ta kukan bashi kuma na dan Allah kakayin mamaki gargajiya ta ɗau gargajiya kakanni wanda mu ban yanta ba ku manya kuna da labarin gobe ku yara kuna da labarin gobe daga bana ba mu ƙara aikin banza ashe kowa sha da mu rabo chanson, euh, on va se dire au revoir donc point final de cette édition de ce 30 novembre 2023. C'était un immense plaisir de passer une heure de bonheur avec vous. On se dit à demain pour le dernier numéro de la semaine et avec un autre duo. Vous étiez en compagnie de Maria Madé et de moi-même Samira Rafi. L'édition a été assurée par la dame de fer Adam Dawaki et la technique par Amina Hassan. On se dit un très bon après-midi. Bye bye.